rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Amsatu noo ngi bëggee lool ci woote bi nga xam ne dangay ngay def li ñuy wax li ñu war nun ñëpp càmm ndono gi càmm ndono gi moo nu fi boole nun ñëpp yaakaar naa ne kenn ku ne ci loolu rek moo la fi indi yow it moo la moo tax nga sos daayira boobu kon nag fi ñu ko bëgg a jëmee yàlla na fa àgg te yàlla na daje ngërëmal sëriñ bi li may bëgg a wax tuuti damay wax ci point bi nga xam ne mooy référendum bi nuy ñëw ñu ngi koy waaja proposé mois de mai wala déet. daf caa am loo xam ne ba mu jógee ba léegi rajo boo dégg ña nga cay wax ñuy wax ci mandat yi ak âge rek ak mode d'élection yeeg durée de mandat waaye képp koo xam ne da nga war a càmm dono gu mel ni gi fi Sëriñ Tuubaa bàyyi boo ko liiree la la cay intéressé mooy la ñuy wax l'intangibilité des formes de la république te ñu tënk ko ci point quinze la muy signifier moo yi Réumi reste don un point très court définir la laïcité laïcité ak parité ak caractère de la république état décentralisé ak ñenti point la yo xamné dañ ne kenn du ko dafa am sabab li tax ñu wax ko Serigne dafa Abdoulaye 2001 bi muy référendum laïcité bi de mom buñ am naa ci xibaar yu leer nañ mu def avant projet bi def ko ca ay pression jóge faneen ba mu dindi ko te jullit ya jàppale wuñ ko bu ñëpp defoon ni sañ Saliou kon doon na dañ yàlla dogal na nag dañu dindiwu ko waaye war naa mën a deñ xibaar boobee moo tax ñu vérifier ko ci propos ci lii ñu luy proposé te laïcité chrétien yi ñoo nu ko gën a contre parce que ba muy sosu ca France Jules Ferry créé ko dafa lakkoon église moom ci boppam dañ ko rey y avait un conflit entre l'église ak pouvoir ba fa nekkoon léegi nag ndax kuy xeex église da nga bàyyi l'islam doo bàyyi l'islam kon bu ñu jëlee Cheikh Amadou Bamba réewum El Hadj Malick réewum Thierno Bal, Baal Maba Diakhou ak ñëw ñi ñëpp ñu def ñu à 99 des croyants chrétiens et musulmans ñu ne ñu dañ ñuy verrouiller ci biir laïcité bëgg na réew def di kéefër un point un trait.

buñ d'accord ñu def nu laïcité wérgu ko suñu pas-pas yi boppam tënk nañ ko li ma ciy joxe y un problème phénomène ce qu'on appelle la le terrorisme France yi boppam dem nañ ba le terrorisme xam nañ ne laïcité moo leen ko yóbbu li ko waral mooy lan am nañ lu nu naqari nun ñëpp tey ci benn xew du ma ci del si mais def nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca France Charlie Hebdo dañ ko faa caricaturer ay jullit yu gëm allahu ahlam wala ay noon yu bëgg a taqal ñëw rey fa nit kañ fa rey bu la tudd bañ ko reyee bañ ko tegee ci morgue ba di ko ñaanal borom journal ba dafa wax ne bañ defee lépp ah yow kat Charles bu maa ngi maa ngi waxal secret boo xam ne tey maa yow dong ñoo ko xamoon yaay yaay saw far ñaari góor jigéen lañ loolu mille 2014 la mille quinze ñu créé ce qu'on appelle le prix comité laïcité république Patrick Kessel moo ko doon joxe devant Hidalgo le maire de Paris ñu ne ah. prix bi nañ ko joxe à titre posthume nañ ko jox charbon, ma ñu parce que reuy parce que journaliste mais il défendait une idée noble avec son crayon et son feutre qu'est-ce qu'il faisait daf doon dessiner yonent bi lool moy laïcité en grosso modo est-ce que lool danañ nous ñun ñun ñun Sénégal ñun à 99 chrétiens et musulmans ñu def ko fi suñ ko défé nous sommes collectivement et individuellement responsables imam yek khalifa yek ñepp ci wara wax ñepp ci wara wax yaa a un projet de loi qui est devant la mi ngi tege ci taabalu premier ministre mu ngi nii Serigne Cheikh yor aaye nañ ci nee nañ xale bu jigéen bu am boobu 18 ans ku ko maye viol la aaye nañ yalwaan ci réew mi nee nañ góor maanaam nit jigéen ak baay ñoo yem ci doom autorité parentale kenn amatul droit yóbbu sa doom fenn te yaayam dëkkooru ci baay bi nekk ca tool yi amatul droit liggéeyloo doomam ci force li fekk amul 18 ans woo ma sax bu ko defee loo mën naa bañ. parce que vous avez demee tribunal c'est bon ce que je parle c'est la réalité parce que c'est la loi vous avez demee tribunal vous ne saa que damay avez wala damaa vous ab sareet dañ vous ko dañuy jàpp ba voilà le voilà le procès de Macky Sall. non vous ay président. non non c'est le non non non c'est le référendum qu'il nous a proposé moi je suis équidistant ni politique ni opposant foi là, c'est ma foi c'est ma foi et il y a bokk foi que nous gëm. xam nañ ne buñ ko defee dañ ko def parce que incapable nañ ci dindi ko waaye lin man mooy lii la hadiis ba wax rek man raa minkum munkaran xeex xewi na waxtu yi may des moo fi des ak ñaan ak jooy même ñi yor kurus toog bu nit ñi nelaw ñuy julli dañoo war a def loolu seen problème dañu war a ñaan ci seen borom seen digg ak seen borom xam ne ñu ngi nuy bëgg a dugal ci ak yéefar nañuy ñaan te di ko naqarlu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Nous venons aujourd'hui vous livrer le résumé de la conférence de presse que tenait Serigne Amsatou Mbaké, Ibn Serigne Abdul Ahad Mbaké, à Touba, la, la Sainte. Touba la protéger. Cet appel de Serigne Amsatou en concertation avec euh, toute la famille de Serigne Touba, des imams, des hommes de science, de l'ensemble des talibés sous l'égide de son khalif, du khalif général des Mourites vient à son heure. En effet, nous devons nous interroger. Lorsque des valeurs chancellent, nous devons nous interroger sur les institutions qui devaient être les dépositaires et en être les gardiens. Lorsque des valeurs chancellent comme des murs, où se trouvent les institutions qui devaient être les porte-étendards pour la défense de ces valeurs, dont la sauvegarde et la pérennisation ont été l'objet de la mission salvatrice du prophète Mohammed Seigneur Amsa, Ibn Salih Abdul Ahad, conscient de sa responsabilité naturelle de sa responsabilité historique. Invite solennellement le gouvernement du Sénégal à plus de concertation et à la prise de responsabilité sur sa mission qui est la sienne, c'est-à-dire sa mission régalienne. C'est ainsi que nous avons constaté que la Constitution du Sénégal englobe en son sein plusieurs points qui posent aujourd'hui un certain nombre de problèmes vu le passé et l'histoire du Sénégal, vu aussi la croyance et certaines acquis de ce peuple, de ce veillant peuple, j'allais dire même sénégalais. C'est pourquoi il invite aux hommes politiques, à la société civile, à toutes les forces vives de la nation, à plus de concertation, à s'assumer, assumer en fait nos responsabilités, parce que le Sénégal est un et un seul, et ce Sénégal nous appartient, on ne peut se le diviser. Donc tout ce qui touche cette nation devrait être l'objet de concertation sans une certaine exclusion de quelque bord que ce soit. C'est pourquoi le peuple sénégalais, composé majoritairement de 95% de musulmans, ou plutôt 99% de croyants, ne saurait adopter une certaine laïcité dont le laïcisme qui est le ciment de celle-ci a été inventé pour contrer le cléricalisme en France. Cette constitution, celle de 1958 dont le Sénégal a hérité, aujourd'hui devrait faire l'objet d'un débat national. S'y ajoute le code de l'enfant en projet. Et ce sont ces enfants-là qui seront ce Sénégal de demain. Et ces Sénégalais de demain devront au moins faire l'objet de plus d'attention, de réflexion, de concertation aussi, afin de leur préparer un avenir beaucoup plus radieux, c'est-à-dire leur préparer un Sénégal qu'on a connu à travers le monde, peut-être qui ne bénéficiait pas de beaucoup de richesses naturelles telles que le gaz, le diamant, l'or, etc mais ce Sénégal qui est envié un peu partout par des valeurs morales chantées un peu partout, par la grâce peut-être l'œuvre et le service de son Noël... c'est-à-dire Cheikh Ahmed Bamba. C'est ce Sénégal-là aujourd'hui qui est menacé, qui est agressé par la perte de certaines valeurs et l'implantation, j'allais dire, en fait la vulgarisation de ce qui est convenu d'appeler le lesbianisme, l'homosexualité, le, transgenre, etc., etc. Et ceci a amené, Monsieur, a amené à prendre et à s'assumer, c'est-à-dire lui qui est le digne fils de Sérine Abdullah Mbake, connu pour ses positions franches, pour sa prise de responsabilité, à vouloir en fait inviter la société sénégalaise à plus, je, l'ai déjà mentionné, de concertation, mais aussi à essayer d'instaurer un climat de dialogue social qui est gage de toute paix sur Terre. En conséquence, cet appel est fait à l'ensemble du peuple sénégalais, au gouvernants, à la société civile, donc et à toutes les forces vives de la nation. Serigne Amsatou qui vous souhaite une longue et heureuse année, une longue et heureuse vie et vous invite à vous instruire à vous pénétrer de la justesse des propos de ce philosophe lorsqu'il disait que ce pays, ce ne sont pas ces murs, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les édifices que nous construisons, mais ce pays, c'est d'abord, ce, sont les hommes. Et ces hommes-là doivent être pénétrés d'une certaine valeur qui ont tant fait l'honneur et la gloire des hommes. Et ceci, certes, on a d'autres points. Et sa mission est la mission qu'il s'est fixée. C'est pourquoi il a appelé tous, vous, les journalistes, ses frères, ses amis, ses adeptes, ses disciples, à se joindre et à se donner la main afin de pouvoir fournir un Sénégal meilleur de Unity. Merci beaucoup. Soyez remerciés de votre aimable attention.